ont violer le règlement intérieur pendant deux ans qu'on est à l'Assemblée nationale ils n'ont fait que violer le règlement intérieur mais là ils oublient qu'ils ne sont plus au pouvoir parce que si ils violer le règlement intérieur exécutif de ci man mhm. sous président de la république violé la constitution violer le règlement intérieur ñaar moo mën a am assemblée nationale Nous avons attaqué mais mënuñu accepter yéen ngeen di dem Bon, c'est un barreau d'honneur, comprendre. C'est mhm. comme le dernier jour d'un condamné de, Victor Hugo. Bon, le l'acte, le truc. Mais c'est fini pour eux. C'est Fini. Ils ne verront pas l'ombre du président Ousmane Sonko. Le 11, parce que c'est une violation du règlement intérieur. Wahouma politique, pas mhm. dara, que kham lay wax. Fincotec mhm. est Mais c'est pas à eux de dire au da ngay ñëw jour aujourd'hui, PM moo na mais si ko date bi le 12 septembre. mais où est le problème Faut également am na crainte. mooy la hein? dissolution de l'Assemblée nationale le 13. dissolution bi nag mhm. non le 13. à part oui. dissolution bi 12 deux 2 ans. dissolution 11h mhm. à minuit là. Mhm. xam le 11 le 11. à minuit pile minuit une minute Le président bu ko neexee mu dissout. le prérogative président de la république. Mm-hmm. bu ko neexee mu dissoudre le 11 à midi. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ko neexee le 12 bu ko neexee mu ba ñu bàyyi ba programmer la la venue du du PM mu ñëw assemblée def sa déclaration de politique générale mais dans tous les cas lu ci mën a am na tegu ci yoon ñun yoon la ñuy c'est des enfantillages et ça ne passe pas ils ne verront pas le président Ousmane Sonko le 11 ñoom ñoo la gën a